On va regret parce que comme on dirait euh, équipe de bo c'est la première fois ñu nous ak ñom xamuñu et euh, voilà après c'est un match nul c'est pas mauvais quand même mais on va on va continuer de s'entraîner après le prochain match on sait ce qui nous attend et tout du coup on va mettre les ingrédients pour gagner ce match là parce que pour moi c'est pas cette équipe là qui va nous éliminer pour la pour la prochaine CAN parce que nous on va y aller retourner à la CAN quand même Ouais. Bah, jouer, marquer beaucoup de buts et ne pas prendre. On n'a pas beaucoup marqué parce que c'est une équipe, euh, je ne dis pas que c'est une équipe de Bohamni, elles ont mauvaise du tout, non. Sous-estimer son, adversaire, mais on va, euh, va continuer de jouer et on sait ce qui nous attend. On les connaît, on les connaît. Euh, on sait, elle jouent, c'est une équipe qui joue bas. Du coup, après, à l'entraînement, on sait on sait ce qu'on va faire à l'entraînement. Après, lundi, on va, on va, on va jouer. Ouais, c'est un, euh, un, échec pour moi, c'est pas un échec parce que comme, comme, comme le mort depuis 5 ans, le de équipe de mauvaise quand même parce que c'est la première fois que nous jouons avec nous. Pour nous, nous avons équipe de nous dinañ ñëw jouer et tout. Du coup def nañ lu nekk changé nañ système def nañ mais elles ont resté derrière, mais après, c'est bon, on, les connaît. Prochainement, on, sait ce qui nous attend. On va, on, oui, on, a confiance. C'est bon, là c'est bon. la euh, bah fatigue Non, c'est pas la fatigue et tout. Bah, c'est pas pareil pour moi. Parce que club équipe nationale de Ben, mais c'est pas parce que demain il doit faire demain équipe nationale de Modoul, de, de Lalo. Du coup, pour moi c'est pas pareil, mais bon, dinañ góorgóorlu ba li ñuy dugal fële ñu suñ ñëwee fii nii ñu ñu duggal ko juste collaboration la ak ak yenn filles yi dañuy changement changé bi et tout après ça va. Ouais, c'est c'est un peu dur parce que j'ai pas l'habitude de jouer avant-centre là on me met sur le côté parce que euh, le match derrière euh, damay jouer si côté bi parce que axe bi dama doon jouer dama recevoir beaucoup de ballons et tout c'était pas facile du coup le mot à coach bi c'est c'est côté mais on verra après